le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices du Forum du Studio Kalangou. Le Forum du Studio Kalangou, c'est l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème de ce soir est l'accessibilité des infrastructures publiques et privées aux personnes handicapées, obstacles et perspectives. Quels sont les droits des personnes en situation de handicap en matière d'accessibilité aux infrastructures Quelles sont les principales difficultés d'accessibilité auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap au Niger Comment prendre en compte les besoins particuliers des personnes en situation de handicap en matière d'accessibilité Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Moussa Ibrahim, directeur général de l'action sociale et de la promotion de la solidarité euh, au ministère de la Population. Nous avons avec nous Habibou Abdoulaye, président de la section régionale de Niamey de la FNPH, la Fédération nigérienne des personnes handicapées. nous avons avec nous Farkas Mela, personne ressource, ancien agent du ministère de la Population. Et nous avons également avec nous Bawa Idi, qui est le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. À la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mahamadou. L'accessibilité des infrastructures publiques et privées aux personnes handicapées, obstacle les perspectives, c'est autour de cette thématique que nos échanges vont s'accentuer. Au Niger, la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap sont garanties par l'ordonnance de mars 1993 déterminant les règles minimales relatives à la protection sociale des personnes handicapées, une ordonnance modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2010-028 du 20 mai 2010. Et en juin 2008, le pays a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées. L'article 9 de cette convention prévoit ce qui suit, je cite, afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États partis prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité s'appliquent, entre autres, aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail. Fin de citation de l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Sans plus tarder, nous allons commencer avec vous, Monsieur Farkas Maïla. Vous étiez un agent du ministère de la Population. Vous avez aussi était membre des, différentes organisations, associations de personnes handicapées et membre de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Quelles sont les principales difficultés, à votre avis, d'accessibilité auxquelles les personnes en situation de handicap sont confrontées au Niger Je dois dire que, tel que vous venez de lire dans l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ces dispositions existaient bien avant la Convention. Euh, l'ordonnance 93-012 en a parlé dans les articles 28, 29 et je crois 30 euh, depuis 1992. Cependant, à l'époque, quand on construisait les bâtiments, on n'a pas tenu compte de cette dimension. Puisqu'il n'existait pas de loi spécifique en faveur des personnes handicapées, il était difficile de prévoir certaines choses. Ce qui fait que les bâtiments publics n'était conçu que pour des personnes non handicapées. Pourtant, dans la logique, puisque quand on faisait l'ordonnance 93-012, il y avait un représentant du ministère euh, des TP de l'urbanisme à l'époque qui avait toute une encyclopédie euh, sur les aménagements. Mm. Euh, malheureusement, bon, cela n'a pas suivi et nous avions écrit à un moment donné pour demander des modifications au niveau de certains édifices mais ça a toujours été un problème. Après, nous, quand la convention est venue, ça fait seulement 13 ans, nous avons de nouveau sollicité auprès de l'État de prendre des mesures pour que, pour toute nouvelle construction, que des dispositions soient prévues par rapport aux personnes handicapées. Vous l'avez dit dans votre article 9 mm. que l'accessibilité ne concerne pas seulement les bâtiments. Il ne s'agit pas seulement d'accessibilité physique. Mm. Nous avons l'accessibilité, par exemple, en ce qui concerne les personnes sourdes et malentendantes. Mm. Euh, à chaque fois que vous invitez une personne sourde malentendante, eh ben, il est important de prévoir un interprète en langue des signes, mm. sans quoi il n'aura pas accès à l'information. Mm. De, la, de la même manière, quand vous euh, devez traiter avec des personnes non voyantes, vérifiez d'abord si la personne maîtrise le braille ou pas Sinon, il va falloir trouver un mécanisme, soit à travers le braille, soit aujourd'hui avec un logiciel dans les ordinateurs et même les téléphones, iPhone, euh, tactile, etc. Il y a un logiciel qu'on appelle euh, synthèse vocale en français et JAWS en anglais qui permet aux personnes déficientes visuelles d'être presque à égalité avec, les autres. Et lorsque ces mesures ne sont pas prises, eh ben, l'exclusion est là. Euh, Monsieur Habibou Abdoulaye, président de la section régionale Niamey de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, aujourd'hui concrètement, si nous devons mettre l'accent sur l'accessibilité euh, physique, l'accessibilité aux, infrastructures publiques et privées qui ont en tout cas une vocation euh, d'intérêt général, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on peut relever Vraiment, c'est un, on peut dire même c'est un casse-tête pour les personnes handicapées au niveau de la région de Niamey parce que eh, vous n'êtes pas sans savoir, avec euh, le programme Nyaminyala, il y a des caniveaux qui sont en train, d'être ouverts. Hmm. Partout, si vous partez oh, dans la ville, vous voyez que les caniveaux sont ouverts. Hmm. Et c'est un grand risque pour les personnes handicapées, hmm. surtout les personnes handicapées et eh, visuelles. Donc, euh, et je reviens encore sur ce que eh, notre patron, notre président est en train de euh, le, doyen. A, le doyen a parlé tout de suite mm. sur les, les personnes euh, les, personnes sourdes, mm. là encore c'est autre, autre, autre chose. Vraiment c'est un casse-tête. Mm. L'État a pris l'engagement. L'État a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et si vous prenez l'article 4, l'obligation de l'État, Dès que vous voyez, c'est une obligation de l'État de garantir ces, droits-là pour ces personnes-là. Mm. Si nous, voyons, prenons par, exemple les, les, multiples des entreprises qui sont en train de faire, mm. les, pharmacies, mm. les, banques, les, services de, transport, les services des envois là, il n'y a aucun qui, est conforme à, la, à euh, des concepts universels personne, il n'y a aucune, y y a aucune infrastructure qui est conforme à l'accessibilité pour les personnes handicapées. Parce que vous êtes venu, par, par, exemple, au Makena, on va mm. même nous, si on part à la ville de Niami, on ne peut pas accéder. Quand vous dites vous, vous pouvez expliquer, vous voulez dire les personnes handicapées physiques. oui, ils mm. on ne peut pas. Ils sont obligés de, de, ramper ou bien de... de pour, pouvoir, euh, pouvoir, monter les escaliers. Alors que dès qu'on a ratifié Dès qu'on a ratifié la convention, on doit prendre en compte de ça. on doit faire des modifications que les, les doyens de... Alors que justement le doyen Farkas Soumela disait qu'avant cette convention qui a été ratifiée par le Niger en 2008, déjà en 1993, il y avait ces dispositions, ces dispositions. dans l'ordonnance. Dès qu'on a fait la ratification de cette convention, l'État doit obligatoirement conformer. C'est parce que c'est l'engagement qu'il a pris, mm. c'est de garantir de tous ces accès, de tous ces bâtiments-là, doit mm. doivent être accessible pour nous. Mm. Présentement, si je pars à, la ville de Niami, pour accéder au président de la délégation, il faut que je me rende comme ça. On me voit c'est un droit pour moi, c'est mm. un droit d'être comme tous les êtres, pour, comme euh, c'est ce qu'on a dit avec l'égalité des l'égalité avec les autres. Avec les autres Donc de me garantir cette, cette, cette ces droits-là, mm. pour que moi-même je puisse aller sans difficulté pour voir avec comme euh, pour voir et passer voir les pour le service qui m'a amené mais malheureusement c'est pas comme ça donc vraiment c'est un casse-tête partout mm. quand, on parle du euh, privé oui, c'est le privé. Mais qui est le privé C'est l'État. Si l'État veille aujourd'hui à ce que tous les, tous les, les, bâtiments, les bâtiments euh, privés là, ou bien les, ce que je viens de vous dire là, les, écoles, les autres là, si s'il veille aujourd'hui, on doit À obligatoirement... que les, euh, différentes les normes les différentes normes soit d'être normes consensus universel doit être obligatoirement à norme qui, qui, va permettre aux personnes handicapées d'être euh, vraiment à l'aise mm. pour, pour pouvoir servir leurs besoins Merci. Nous, nous allons demander, nous allons voir aussi de l'autre côté, du côté des élèves et des, étudiants. Monsieur Baouidi, vous êtes le secrétaire général de l'association des élèves et étudiants handicapés. Au niveau de, euh, de ces centres de formation, comment se présente la situation de l'accessibilité de l'étudiant ou de l'élève handicapé aujourd'hui Que ce soit celui qui a un handicap visuel, celui qui a un handicap physique, comme viennent de le dire euh, les prédécesseurs, le président et le doyen, comme vous l'avez dit, en fait, c'est une réalité, c'est vraiment un véritable casse-tête pour les personnes handicapées, parce que le doyen a parlé des infrastructures qui ont été faites depuis. C'est vrai, aujourd'hui, certaines infrastructures, on peut, au niveau de certaines infrastructures, on peut avoir accès, mais par contre, chez d'autres infrastructures, là, c'est autre chose. Si vous prenez plus particulièrement pour ce qui concerne les élèves et étudiants, prenez un étudiant qui a une prothèse. Et pour avoir accès aux salles qui sont même au rez-de-chaussée, parce que là-bas, il y a des salles qui sont à étage, aux salles même qui sont au rez-de-chaussée, c'est vraiment un véritable problème. Mm. parce Parce qu'il y a des salles, pour avoir accédé à ces salles, il, il doit, avoir, il doit falloir marcher sur deux à trois escaliers. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui a une prothèse. Au niveau de, de la jambe, vous voyez. De la jambe, c'est vraiment autre chose. Pour les malentendants, bon, nous, au niveau de notre association, pour le moment, les malentendants, on n'en a pas au niveau de l'université, mais quand même les malvoyants, là, on a. Et là aussi, ça reste vraiment beaucoup à faire, quoi. Oui, on avait, fait, on avait fait une émission où on parlait justement de, de, ce problème. Même lors de des des évaluations, quand vous prenez avant d'accéder à la copie de cet étudiant. Parce qu'il doit falloir amener ça à quelqu'un qui peut traduire ça en braille. Pour maintenant, que voilà. ça puisse être corrigé. Oui, pour que ça puisse être corrigé. Il traduit en braille. Maintenant, l'autre, il traduit ça, on amène au niveau de, de la faculté pour que l'enseignant récupère pour aller corriger. Donc tout ça, là, c'est vraiment des cassettes parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire le doyen, il y a des logiciels au niveau des ordinateurs qu'on peut intégrer et installer. Maintenant, l'étudiant, quand il vient, le malvoyant, il peut écouter, résoudre le problème et maintenant donner la copie sans euh, avoir besoin d'aller quelque part mm. pour traduire le braille et raminer. Mm. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le constat au niveau des écoles et de, l'université, est-ce que c'est les anciens bâtiments qui ne sont pas encore aux normes ou, on a même des nouveaux bâtiments qui sont en train d'être érigés sans tenir compte de ces difficultés Justement, il y a des nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits et qu'on ne tient pas compte de ces gens. Parce que tout nouveau bâtiment qui doit être construit, pour respecter la norme, il doit falloir qu'on ait une rampe qui va permettre aux handicapés locomoteurs d'accéder hmm. plus facilement au lieu d'aller sur les escaliers. Malheureusement, il y a des nouveaux bâtiments aujourd'hui qui sont en train d'être construits et qui n'ont pas ces rampes. Hmm. Pour d'autres bâtiments nouvellement construits, il y en a, hmm. mais pour d'autres, il n'y en a pas. Monsieur Moussa Ibrahim, directeur général de l'action sociale et de la promotion de la solidarité au ministère de la Population. Le ministère de la Population, en tout cas, c'est le ministère des tutelles des personnes en situation de handicap. Comment expliquer le fait que euh, malgré la tradition, malgré ces longues années que le Niger déjà était au devant de cette lutte pour permettre l'égalité des chances avec, euh, pour les personnes en situation de handicap. Euh, on a vu l'ordonnance 1993 en tout cas. Et malgré ces, ces dispositions qui existaient bien avant et celles qui ont été ratifiées plus tard, aujourd'hui qu'on se trouve dans cette situation. Comment expliquer cette situation Il faut le dire, c'est un défi. Il y a énormément de défis euh, quant à cette question-là, mais il faut le dire euh, du point de vue de la législation, qu'on vient de le rappeler euh, mes prédécesseurs, notamment Farca, mm. il y a des efforts qui ont été fournis. D'abord, pour garantir cette accessibilité, il va falloir apprêter les dispositions législatives, mm. notamment les, textes de loi, qui doivent garantir, n'est-ce pas, ces questions d'accessibilité-là. Donc, de ce point de vue, comme il l'a rappelé, il y a des avancées notamment l'ordonnance, la convention, et récemment, le 8 novembre 2019, la loi déterminant les principes fondamentaux de l'insertion euh, des personnes handicapées a été votée à l'Assemblée. Hmm. Donc je crois que de ce point de vue, il y a une avancée euh, notoire euh, qui a été faite. je suis tout à fait voilà du point de vue voilà parce que l'une des démarches si vous voulez de cette accessibilité c'est d'abord de garantir du point de vue réglementaire hmm. parce que toutes les institutions pour les contraindre à, faire, à exécuter, il faut une loi. Hmm. Il faut qu'il y ait voilà, une loi qui les contraint, n'est-ce pas, à faire cela. Hmm. Donc, ministère de la Population, à notre niveau, notre devoir, c'est de veiller à ce que cela soit fait, étant donné que nous sommes, euh, n'est-ce pas, le ministère de tutelle qui s'occupe de ces personnes handicapées, notamment leur promotion et leur autonomisation. Donc, c'est à nous de veiller à le faire. Hmm. Donc, la question du handicap étant une question transversale, nous avons convoqué le 30 mai 2018 un séminaire gouvernemental. Donc, à commencer par les décideurs eux-mêmes, mm. c'est-à-dire de leur montrer la nécessité de prendre en compte ces questions. Donc, au cours de ce séminaire, nous avons, euh, en tout cas à la présence de tous les ministres, fait un plaidoyer pour que ces questions d'accessibilité soient prises en compte, que ce soit le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, que ce soit le ministère du transport, que ce soit le ministère de l'éducation, de la santé, etc et même des finances pour qu'ils comprennent vraiment la, la portée de cette question-là sur l'accessibilité. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une question transversale. Donc toutes les institutions, étant donné qu'il y a il y a des textes de loi qui prévoient mm. que, les que les bâtiments qui devaient être construits mm. doivent répondre à, à des normes. et c'est des normes internationales. Aujourd'hui, si vous prenez les infrastructures, en tout cas construites euh, dans le cadre de l'IA, notamment les grands hôtels, ils, sont conscients de ça. Donc, mm. c'est des normes qui existent et ils les ont appliqués. Hmm. Maintenant, sur le plan national, évidemment, il y a beaucoup d'infrastructures qui restent, comme vient de le souligner l'étudiant, qui hmm. restent à être réadaptées en fonction, n'est-ce pas, de, ce qui est prévu par la loi, en fonction de la nécessité, n'est-ce pas, pour euh, garantir à ces personnes handicapées-là euh, cette accessibilité-là qui est, qui est, très importante. Monsieur Farkas quelle autre raison voyez-vous pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos bâtiments, beaucoup de nos services publics et même privés qui ont des vocations de, services d'intérêt public ne sont pas conformes aux dispositions, en tout cas universelles, qui prennent en compte les besoins des personnes en situation de handicap. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai servi l'État, oui. Euh, ministère de la Santé, ministère de la Population, hum. jusqu'à la retraite. Au final, le ministère de la Population, je crois que c'est l'un des ministères les plus pauvres. Hum en termes de budget annuel, euh, c'est pas lourd. Cependant, puisque les dispositions légales existaient, puisque une ordonnance est une loi qui est prise au niveau du gouvernement. Donc, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est mieux exploiter l'ordonnance 93-012 et prendre au moins un décret d'application par rapport à ça. Parce que vous savez, une loi donne, les grandes orientations. Si une loi n'est pas suivie de décret d'application, elle pèse pas. Je ne suis pas juriste, mais je, n'ai tellement côtoyé que euh, j'ai un peu compris ça. Pour que la loi soit contraignante, il faudrait que des décrets d'application soient pris. Mais les décrets, par exemple pour des bâtiments, n'est pas au niveau du ministère de la Population. Mais parce que tout à l'heure, le DG, le directeur général, avait souligné que c'est une question transversale qui ne concerne pas qu'un seul ministère, qu'un seul secteur. Voilà, et l'ordonnance 93 dont on parle renvoie à au moins sept prises de décrets d'application. Et parmi les décrets qui n'ont pas été pris, il y avait effectivement euh, celui relatif à l'accessibilité, puisque on avait le représentant du ministère de l'urbanisme à l'époque, qui était dans le comité hmm. préparatoire de l'ordonnance, euh, il aurait fallu peut-être que, euh, dès que l'ordonnance est sortie, que ce ministère prenne euh, des dispositions pour appliquer les mesures. mesures. Voyez-vous, à titre d'exemple, un monsieur, une personne qui vient en fauteuil roulant a besoin de moins un couloir 2 mètres d'ouverture. Mm. Parce que d'un coup dans un coude, ça fait 90 cm. Mm. Idem, si la personne la doit aller dans les toilettes, mm. si c'est une porte exiguë qui fait 50 cm, il va falloir descendre de son fauteuil. Donc, voyez-vous, ces dispositions n'ont pas été suivies d'application. Alors que euh, tout à l'heure, Habib parlait de conception universelle. Logiquement, si cette conception universelle est appliquée, les travaux d'aménagement ne devraient pas coûter plus de 1% du budget global de la construction. Quant au secteur privé, mais qui régit le, secteur privé C'est l'État. C'est l'État qui, donne les, qui, qui donne ou qui vend les terrains. C'est l'État qui dit, je veux voir le plan de construction. Et une fois qu'on a fait le plan de construction, les techniciens du ministère de l'Urbanisme vérifient la qualité. Une fois que c'est OK, on va dire, bon, on va te donner un permis de construire. Mais normalement, au fur et à mesure que les travaux vont avancer, il y a des missions d'évaluation et de suivi hmm. pour voir si la construction obéit au plan initial. initial soumis. Est-ce que ça là c'est fait Je ne sais pas. Mais je sais que pour euh, avoir fait quelques études d'assainissement il y a bon, un certain nombre de décennies, je sais que ce sont des étapes. On donne permis de construction, permis de conformité parce que si la construction n'est pas conforme au plan soumis, normalement, on doit tout arrêter. Mm. Et après, maintenant, il y a permis d'habiter, etc. etc. Mm. Mais ça, ce n'est pas fait. Si l'État dit, voilà, j'ai été saisi par le ministère de la Population pour dire que les personnes handicapées ont droit à tant, tant, tant, tant. Mm. Et comme on a dit, c'est transversal. Dans la logique, chaque ministère construit de nouveaux bâtiments. Donc chaque ministère, que ce soit en public ou en privé, devrait prendre en compte cette nécessité. Et nous, devons toujours penser que si nous-mêmes, nous ne sommes pas handicapés, mais quelque part dans notre famille, on peut avoir une personne handicapée. Hmm. On peut avoir des invités handicapés. À titre d'exemple, aujourd'hui, si euh, le monsieur le DGAS qui est en face de nous hmm. reçoit chez lui des personnes en fauteuil, et qu'au niveau de la terrasse, là, le fauteuil ne peut pas passer. Moi, je suis sûr que le jour-là, il va sourire. C'est-à-dire que même dans notre vie quotidienne au privé, on doit prendre on doit se dire ah, un jour, je peux avoir telle chose, telle chose, telle chose. Mm. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Mais malheureusement, ça n'a pas été euh, le cas. Et il va falloir, de mon point de vue, peut-être que ça c'est au niveau des perspectives, nous allons venir, ça c'est vers la oh, fin. Monsieur Habiboulaye, euh, président de la section régionale de Niamey, qu'est-ce qui expliquerait selon vous le fait qu'aujourd'hui encore, les besoins des personnes handicapées pour accéder aux services publics, aux bâtiments, ne sont pas encore pris en compte Est-ce que euh, peut-être parce qu'on euh, ne va pas, on pense que les personnes handicapées ne sont pas nombreuses au Niger, ou bien parce que justement l'État ne fait pas le suivi nécessaire je reviens un peu en arrière sur l'application des textes. Personne ne peut dire qu'au Niger, on ne prend pas de, de lois mmh. envers les personnes handicapées. Mmh. Nous sommes fiers et nous sommes très reconnaissants de ça. Mais le grand problème, le grand problème à la c'est l'application. C'est l'application de ces textes-là. Aujourd'hui, si on applique à l'intégralité la convention-là, il n'y a aucun personne handicapée qui va te dire qu'elle est dans le problème de l'accessibilité. Donc pour vous, il y a un problème d'application. C'est l'application et de veiller, de suivi hmm. qui, manque. Parce qu'aujourd'hui, si on veille et on suit les, opérateurs euh, privés là, qui sont en train de multiplier des, des, services qui que les personnes handicapées, comme tout, euh, tout, tout citoyen, hmm. a besoin, et on veille sur ça, ça doit être accessible pour nous. On peut aller à la pharmacie. Aujourd'hui, si je pars à la pharmacie, je suis obligé de rester sur ma, sur ma moto pour, pour envoyer mon ordonnance pour dire que comment il va me voir mm. c'est ma dignité intrinsèque qui est touchée. Oui, Ou bien de descendre pour, pouvoir ramper. pour aller à, dans, ça. Si je pars pour envoyer de l'argent, mm. c'est comme ça. Aujourd'hui, si l'État veille sur ça, obligatoirement, on va respecter. Je prends un exemple. Les, centres là qu'on de, les, pour les conducteurs. Les casques là. C'est la ville de Niamien. Quand elle a respecté ça, est-ce qu'elle veille sur ça Aujourd'hui, si tu, n'as pas porté, même si tu t'assois, la première des choses que tu vas... Tu, auras le réflexe de le porter au risque de se faire amender 10 000 francs. Pour dire que avec la volonté, euh, Donc, avec un peu de rigueur, on peut arriver. Les grands problèmes, hmm. les grands problèmes, l'État fait beaucoup de choses. L'État fait beaucoup de lois. Sur le mais papier. Sur le papier, mais l'application, c'est ça qui manque. Hmm. C'est ça les grands problèmes. Hmm. Que nous, nous sommes en train de victimes, nous sommes en train de subir ça. Chaque jour, on suit ça. Mais les gens, c'est comme ce que le papa entend de dire. T'inquiète-toi, toi, toi aujourd'hui tu es en forme. Mm. Tu sais que tu es en forme. Il faut, il dire que les gens là qui sont dans cette situation-là, euh, ils n'ont pas demandé ça au Dieu. Tu ne sais pas quoi toi, comment tu vas te faire, comment ta finition. Mm. Donc tu peux, un jour toi aussi tu as besoin de ça. Mm. Voilà le grand problème, c'est l'application des textes. C'est l'application des textes. Nous revenons au, niveau du ministère de, la Population, mm. notamment le directeur général de l'action sociale et de la solidarité. Est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce qu'il y a par exemple un service ou des services qui doivent faire le suivi des droits point par point pour que leur mise en œuvre puisse être effective euh, Parce qu'on a vu que tout à l'heure, excusez-moi, Farkas Soumaïla avait soulevé le fait qu'il y avait cette ordonnance de 1993. Mm-hmm. Normalement, on devrait prendre des décrets d'application. Et parmi les décrets d'application qui devaient être pris, notamment, il y, avait, euh, il y a cette question d'accessibilité qui n'a pas euh, été prise en compte. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a ces regards pour la mise en œuvre effective, point par point, des différents droits des personnes en situation de handicap. Absolument. Euh, si euh, on prend une loi, c'est pour qu'elle soit appliquée. Hum. C'est peut-être, j'aurais dû, dû, le dire dans la foulée, hum. euh, si l'ordonnance a été prise, il y a une modification de cette ordonnance même. Oui, je l'ai évoqué. Voilà, qui a, en 2010. Hein. Voilà, qui a élargi, si vous voulez, ces, domaines d'accessibilité. Hum. Il faut le dire que le problème crucial, comme ils l'ont dit, c'est l'application des, des textes. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a euh, une certaine lenteur je veux dire, dans l'application de ces textes-là. Euh, c'est ça justement qui fait que, euh, dans une certaine mesure, cette accessibilité n'est pas prise en compte par toutes les institutions. je vais peut-être le rappeler, je vais le dire, c'est une question transversale. Ah oui. Il faut que qu'on le comprenne de cette façon. Si on prend la question de, la construction des infrastructures, mm. le ministère de l'urbanisme et de l'habitat a prévu une commission qui attribuent des permis de construction. Et ces commissions, elles, se réunissent et elles, elles statuent sur, les dossiers. Il est vrai qu'il faut un suivi pour voir réellement si l'opérateur, ou en tout cas celui qui, édifie, qui construit l'infrastructure, a réellement respecté ou pas. Mm. C'est ça toute la question. Mais ce qui est sûr, toutes les mesures sont prises pour que, euh, pas, en tout cas, les infrastructures soient construites selon les normes. Je suis tout à fait d'accord que c'est une question d'application. Mais cela ne veut pas dire que nous avons baissé les bras. C'est tout un processus. C'est vrai, l'ordonnance date de 93, mais entre-temps, les choses ont avancé. Mm. Après l'ordonnance, il va falloir nécessairement réadapter euh, la législation nationale à, cette ordonnance. C'est ce qu'on a fait à travers cette loi, n'est-ce pas, du 8 novembre-là. Et euh, nous sommes euh, sur le point d'élaborer le décret d'application. En ce moment, mm. cette question d'accessibilité sera largement prise en compte. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous veillerons à ce que tous les acteurs qui sont concernés vont être invités pour que déjà ils s'imprègnent, n'est-ce pas, de la nécessité d'aller c'est d'aller vers en tout cas l'application de ces, de ces mesures-là. Je l'ai dit euh, euh, parce que euh, c'est un processus très long. il, faut, il faut avancer en, capitalisant. Je pense que, comme l'a souligné l'étudiant et même certains, le ministère a fait des efforts pour rendre ces bâtiments accessibles. D'autres aussi le font. Et à chaque fois que, en tout cas, nous, nous avons l'occasion de, de, rencontrer dans des, dans des rencontres, que ce soit avec au niveau national ou international, nous attirons l'attention surtout pour cette question d'accessibilité. Je vais rappeler un, exemple très précis. Euh, au niveau de la primature, on tenait une réunion sur, euh, sur, sur, des commissions, un service qui devait être mis en place, un mm. service de l'État. Donc mm. j'ai attiré en tout cas l'attention des participants sur cette question d'accessibilité. Mm. Ils ne s'attendaient pas, ils, se disaient, bon, ce n'est pas nécessaire, mais j'ai dit non, il faut y penser la personne qui va prendre le service peut être handicapée, elle peut l'être d'un jour à l'autre. Mm. On peut accueillir des personnes en situation de handicap. Donc face à cela, il faut nécessairement que, en tout cas, l'État veille à ce que cela soit. Mm. Donc c'est vraiment un travail de plaidoyer qu'on est en train de faire. Et euh, nous réfléchissons sur la mise en place d'un programme, euh, par exemple, qui est cher à la ministre, elle nous le rappelle à chaque fois, mm. euh, de, de, faire une sorte, une sorte de, de label sur ces questions de handicap. C'est-à-dire, si on prend un établissement bien précis, on lui rend visite, on voit ce qu'il fait. Euh, s'il ne l'a pas fait, on lui donne un temps pour qu'il rendre euh, ces infrastructures accessibles. À ce moment-là, on lui attribue un label, euh, un certificat pour dire en tout cas euh, que cet établissement est, certifié inclusif. Voilà, vous voyez, donc c'est un programme que nous allons mettre en place, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures publiques ou, même privées. Et donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans le, sur cette question. Pour rappeler de façon générale, hein, quel est aujourd'hui réellement le rôle du ministère de la Population euh, le rôle, évidemment, euh, comme je l'ai dit, l'une des missions du ministère, c'est l'autonomisation des groupes vulnérables. Hum. Qui dit autonomisation dit effectivement garantir l'accessibilité, hum. c'est-à-dire rendre les déplacements des personnes handicapées autonomes, rendre les bâtiments accessibles, rendre euh, tous les services de l'État accessibles. Et, cette accessibilité, elle peut elle s'élargit, hein. elle n'est pas que dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'information, elle peut être géographique, Hein, euh, et il y a aussi les transports, Oui, les questions de transport, mmh. évidemment, mmh. Euh, les questions de l'information. Mmh. Euh, donc, à ce niveau, voyez-vous, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, voilà, notamment la question de l'accès à l'information. Donc, c'est pour dire que c'est une question assez large. mais cette question, évidemment, d'accès au bâtiment, elle est, elle est, cruciale dans la mesure où il y a peut-être des efforts certes qui ont été fournis, mais des défis énormes restent encore à, relever. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur quoi le ministère travaille euh, pour ce qui concerne ces questions d'accessibilité donc, comme je l'ai dit, euh, il, y a ce projet, vous dites, qui va être mis en œuvre, notamment qui va consister à donner des labels à des services qui répondent aux normes. Est-ce qu'il y a d'autres D'autres, on, y réfléchit. Hein. Euh, notamment, je dis, je crois que c'est ce travail de plus plaidoyer qu'il faut faire, qu'il faut accentuer. Donc, on a fait un séminaire gouvernemental. Donc, peut-être on va multiplier les séminaires ou en tout cas prévoir des missions au niveau de tous les ministères pour, euh, pour euh, en tout cas rencontrer les services concernés afin qu'ils puissent en tout cas s'assumer par rapport aux décisions qui ont déjà été prises dans le cadre des lois et textes réglementaires. Hmm. Monsieur Farkas Soumaïla, la question du handicap et de la prise en compte, en tout cas, des besoins particuliers des personnes en situation de handicap, la transversalité, est-ce que ce n'est pas justement ce qui, qui cause le problème aujourd'hui au Niger Parce qu'il y a une question qui ne concerne pas qu'un seul secteur, qui ne concerne pas qu'un seul ministère. <laughs> Je crois que la transversalité, c'est plutôt une opportunité. Parce que si la prise en compte ou la prise en charge des personnes handicapées doit se focaliser au niveau d'un seul ministère, ce serait de la marginalisation, ce serait de l'exclusion. Et c'est quelque chose que nous, nous avons combattu au cours de la conférence nationale en 91 où chacun cherchait à tirer la couverture à soi et certaines personnes se sont levées pour dire on veut un secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. On a dit non, mais pourquoi est-ce que les personnes handicapées ne seraient pas dirigées par un homme ou une femme non, handicapé Qu'est-ce qui prouve qu'une personne handicapée ferait mieux Donc, les personnes handicapées se retrouvent partout. Et c'est là le caractère transversal. Maintenant, la démarche, comme l'a dit le DGAS, il est grand temps peut-être qu'un certain nombre de parties prenantes fassent un état des lieux. Les textes sont là. On a les meilleurs textes d'Afrique. Mais on n'a pas les moyens de mise en œuvre effective. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 2010, je crois, tous les textes qu'on prend, on prend soin de mettre en bas qu'il y a un rapport qui doit être produit dans les 5 ans ou tous les 5 ans. Ça veut dire qu'il y a obligation de résultat. Et ça veut dire que ce serait bien que un certain nombre d'acteurs se retrouvent pour faire peut-être des plans d'action quinquennaux, pour voir quels sont les besoins immédiats quels sont les objectifs qu'on voudrait atteindre dans 5 ans. Au bout de 5 ans, on va évaluer, on va voir ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire, pourquoi on n'a pas pu faire et comment y remédier. Mais le ministère de la Population, l'État en lui-même ne peut pas tout prendre. Mais il va falloir de façon collégiale qu'on repense notre façon de faire. Les textes sont là. On dit qu'on ne les applique pas. Mais pourquoi on ne les applique pas Qui ne les applique pas Qui ne les applique pas Mais on ne les applique pas peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de mise en œuvre. Mais peut-être aussi que nous qui sommes les demandeurs, nous laissons la latitude, alors qu'on doit avoir des priorités. Et je crois que en repensant notre façon de travailler avec le ministère, on peut être beaucoup plus efficace. Sur quoi le ministère de la Population, par exemple, doit mettre l'accent pour parvenir à avoir une certaine synergie autour de ces questions La synergie n'est pas compliquée. Le ministère de la Population assure la tutelle de toutes les questions de handicap. Elle n'est pas spécialiste du handicap, mais elle est un peu l'ombrelle et en bas de l'ombrelle, vous avez tous les départements ministériels, chacun dans sa sphère de compétence. C'est-à-dire que, par exemple, tous les textes qui sont sortis, le ministère de la Justice va se dire Ah, tel article, ça me concerne. Hmm. Je vais modifier ma législation en conséquence. Le ministère de l'Urbanisme va dire eh, On ramène cette affaire d'accessibilité-là. Ils vont prendre un arrêté ou un décret, ils vont faire. Hmm. Mais il faudrait qu'il y ait quelque part cette idée de euh, redevabilité. Que chacun des ministères se dise je dois rendre compte au ministère de tutelle. Vous comprenez Et c'est pour ça que je pense que même si au niveau de chaque département ministériel, il y a des commissions techniques, il faudrait qu'il y ait un petit comité de suivi dirigé par le ministère de la Population qui de temps en temps va, va vérifier l'état d'avancement des choses. Et sonner la, la euh, avec, la, la fédération qui est concernée. Parce que euh, sous d'autres cieux, on ne fait rien pour les personnes handicapées sans les impliquer au départ. Et euh, il y a même ce, ce, slogan, qui, dit, rien pour nous sans nous. nous, sans nous. Mm. Vous comprenez, il y a des États qui sont très avancés aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais jusqu'à présent qui n'ont pas ratifié la Convention. Parce que chez eux, dès que tu ratifies, tu as obligation de faire. De faire Tout à l'heure, vous avez parlé. Parce que c'est des engagements. Mais bien sûr, tout à l'heure, vous avez parlé du transport. Mais vous savez que maintenant que le Niger a ratifié tous les bus-là doivent être aménagés pour recevoir des personnes en fauteuil roulant. Dès que tu viens, il doit avoir euh, une sorte de rampe qui de, trappe et tu viens, tu montes. C'est connu au niveau des FABA et des machins ou même de certains transporteurs privés là. Dès que c'est une personne handicapée qui vient, on ne l'attend pas. Mais c'est grave alors qu'il y a des dispositions bien sûr. prises par l'État et auxquelles l'État est parti. Bien sûr. Donc tout ça, un, peut-être que ces gens ne savent pas. Il va falloir faire ce que le DG a dit, hmm. plaidoyer. Et moi, j'ajouterais sensibilisation. oui. Parce que quand quelqu'un ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Maintenant, au niveau de l'université, dans les écoles publiques, primaires, etc., grâce à certains partenaires, on a fait plein de rampes d'accès, à Niamey en tout cas au moins sur deux portes, il y a une qui comporte une rampe d'accès. Mais au niveau de l'université, je ne connais pas. L'université, je crois que ça fait 38 ans que je n'ai pas mis les pieds. Mis les pieds, si ce n'est pas pour aller à des soutenances ou quelque chose comme ça. Mais je dis, les élèves et étudiants devraient approcher le rectorat, peut-être écrire et rencontrer le rectorat. Pour dire que nous, étudiants handicapés, nous avons tel et tel problème. De grâce, et faire des propositions. Si, et faire des propositions. Si on doit construire de nouveaux bâtiments, bâtiments, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos besoins spécifiques d'accès à, d'accès à, d'accès à, d'accès à. Mm. Et je crois que, parce qu'il est possible que ce rectorat ne soit pas informé de la chose. Mm. Mais quand on ne connaît pas, on fait quoi Donc nous qui avons l'information, nous qui connaissons nos besoins, aidons les autres à mieux nous aider. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut faire. Bien. Oui, monsieur. oui, hein. oui, réagissez. Et puis, en même temps, nous sommes à la fin. Euh, vous nous dites un peu, euh, à court terme, qu'est-ce qu'il faudra faire. Je voulais juste réagir pour dire qu'effectivement, il y a des dispositions qui sont prises, euh, des cadres de concertation qui sont prévus par les textes. Donc, il y a la commission de promotion des droits des personnes handicapées dans lesquelles effectivement les, les, organisations des personnes handicapées siègent. Mm. C'est vrai que cette commission elle est en léthargie. Mm. Donc, nous sont de, de voir comment les, la redynamiser, mm. mais c'est une disposition, en tout cas, euh, légale qui est, qui est là. Donc, c'est pour dire qu'il y a, il y a ce souci de coordination. Seulement, euh, nous, à notre niveau, au ministère de la Population, de façon globale, toutes les actions faites en faveur de groupes vulnérables, donc je ne dis pas spécifiquement aux personnes handicapées, mais tous les groupes vulnérables, donc tous les acteurs, toutes les ONG, associations qui interviennent, siègent dans un sous-cadre de concertation qui a été créé. Mm. Donc là, le souci, c'est vraiment de capitaliser, de voir qu'est-ce qui est fait mm. dans tous les domaines, si vous voulez, n'est-ce pas, de prise en charge des besoins des groupes vulnérables. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de, de, la, planification, mm. euh, du programme euh, d'activité dans le PAP, ce qu'on mm. appelle euh, communément le PAP, nous avons prévu de mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle. On a, on a vraiment le souci réel de, de suivre ces actions-là, euh, au niveau que ce soit euh, l'accès aux services sociaux de base, que ce soit ces questions d'accessibilité, toutes les questions en tout cas pour, concernant les, les, groupes vulnérables. Et à Donc, pour arriver, euh, qu'est-ce qu'il envisager Pour arriver, pas, aux actions qu'on compte mettre en place, c'est que il faut le comprendre que le ministère c'est un, un niveau central. Donc si on réfléchit on fait un truc global sur toute la, euh, n'est-ce pas, tout le pays. Donc c'est pour cela que nous réfléchissons à mettre en place un plan stratégique qui va prendre en charge euh, d'autonomisation hein, de gouvernables. Et cette question d'accessibilité, notamment, euh, va être au cœur, n'est-ce pas, de, de, ce plan-là. Mm. Il faut le dire, hein, je ne l'ai pas souligné, le Farca l'a dit, il y a un problème de moyens. L'action sociale, en tout cas, c'est le parent pauvre du ministère. <laughs> Donc on n'a pas de moyens. C'est pour cela qu'on multiplie s'il vous plaît, les, les plaidoyers, les, les, les actions en, en, envers les, partenaires. Pour Il voir avait comment, souligné euh, aussi le fait que cette transversalité, c'est une opportunité. Une opportunité. Ça veut dire que les autres secteurs peuvent intervenir parce que soit ils ont des personnes handicapées en l'air sein, soit ils ont en tout cas des services auxquels les personnes handicapées peuvent avoir besoin. Ah, absolument, absolument. Mm. Donc, cette transférabilité, évidemment, c'est un atout. C'est pour mm. cela que nous, moi, je l'ai souligné. Euh, donc, euh, euh, c'est pour vous dire, en tout cas, qu'on est soucieux quand même de cette question-là. Il y a énormément de défis, je suis tout à fait conscient. Il y a des choses à faire toujours. Et il faut le dire, hein, comme il vient de le dire, c'est assez frappant les, gens de Faba Faba qui ne, qui connaissent pas. Vous voyez, donc on peut entreprendre des actions Et les autres compagnies voire avec le syndicat même de, ces transporteurs, leur dire, faire une sensibilisation par rapport, n'est-ce pas, au respect des, textes en vigueur. Merci. Bao secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés, quelles sont vos attentes en matière d'accessibilité les élèves et les étudiants aujourd'hui Ouais, bon, en matière d'accessibilité, moi, j'ai vraiment un appel à lancer hmm. au niveau de l'État, de façon générale, et au niveau du ministère de la Population, de façon plus particulière. Oui, nous allons. et cet appel, c'est de travailler en collaboration avec ces structures des personnes handicapées, parce qu'à chaque fois, les hmm. personnes handicapées ils ne se retiennent pas de dire leurs besoins donc, à chaque fois, de travailler en collaboration avec ces structures-là, entendre leurs besoins et de tenir compte de cela. Monsieur Habibou, euh, Habibou Abdoulaye, secrétaire euh, président de la, de la, section régionale euh, Fédération nigérienne des personnes handicapées, section Niamey, quels sont aujourd'hui, de quoi les personnes handicapées ont besoin aujourd'hui à Niamey bon, En termes d'accessibilité En termes d'accessibilité, c'est d'impliquer les personnes handicapées dans les commissions là qu'on est en train de dire mm. pour qu'ils veillent et aussi participent à voir si réellement ils sont en train, toutes les constructions qu'ils sont en train de faire mm. réellement et de veiller aussi et toutes euh, les, constructions qui sont en train de faire, que dans ce comité-là, tant que les personnes handicapées sont là, ils sont obligés de, aussi, ils ne peuvent pas accepter, dès, le départ, dès les constructions, on est obligé d'adopter le consensus universel, d'adopter euh, les, rampes d'accès et autres là. Ben, c'est un deuxièmement, le grand besoin des personnes handicapées au niveau, au niveau de la région de Niamey aujourd'hui, c'est de veiller surtout à ce que et, c'est ce qu'on a prévu, la loi là qui a été prévue, euh, si on prend même la, loi 093 euh, là, mm. elle a prévu pour les, les, les, privés certaines euh, des Donc veillez à ce que ces lois, ces, dispositions puissent être respectées. Et respectées, voilà. Voilà, s'il y a quelqu'un qui voudrait réagir, nous clôturons. Qui voulait ajouter quelque chose Monsieur Farkas Oui, moi je voudrais commencer par féliciter le ministère de la Population et la Fédération du, du vote de la loi sur l'égalité des chances. Cependant, je crois que c'est toujours encore au niveau du secrétariat général du gouvernement, parce que l'Assemblée a voté et puis a envoyé au gouvernement. Maintenant, il faut que le gouvernement fasse, mais dans Allah, que tous les acteurs s'investissent pour que les mesures d'application soient prises. Ici prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème l'accessibilité des infrastructures publiques et privées aux personnes handicapées, obstacles et perspectives. Le constat qui se dégage à l'issue de nos échanges, c'est qu'au Niger, et même si des efforts ont été fournis, il reste d'énormes défis à relever en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et cela malgré l'existence d'un arsenal de textes nationaux et de conventions internationales signé et ratifié par le pays. Nos invités pensent qu'il est important d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la prise en compte des personnes handicapées dans la construction, la réhabilitation ou l'adaptation des infrastructures publiques ou privées à vocation de services d'intérêt public. Nous étions en compagnie de euh, M. Moussa Ibrahim, directeur général de l'action sociale et de la promotion de la solidarité au ministère de la Population. Également Habibou Abdoulaye, président de la section régionale de Niamey, Fédération nigérienne des personnes handicapées, et Farkas Mela, personne ressource, agent, ancien agent du ministère de la Population. Nous étions également avec Bawaidi, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants, étudiants handicapés. Je rappelle également que nous avons invité le ministère des, des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement pour cette même émission, mais nous n'avons pas eu d'invité. Merci à tous. Présentation à la Kouzi. La technique assurée par Issa Laweli. Bonsoir.